c'est une maladie, ça concerne les oiseaux, de prime abord. Donc, euh, notamment la poule, la dinde, le pigeon, l'autruche. En 2006, il y a eu la flambée au niveau du Niger, notamment à Magaria. C'était la première fois que ça arrivait euh, au Niger Oui, c'était la première fois que ça arrivait au Niger. Et comment se manifeste-t-elle au niveau de la volaille Ça concerne l'appareil respiratoire, ça attrape euh, le poumon, la trachée artère, ainsi de suite bref, le système respiratoire. C'est là-bas donc le site le plus électif pour le virus. Et ainsi, il y a une certaine dégénérescence au niveau de l'animal. Ça concerne d'abord, le prime abord, l'appareil respiratoire et il y a un ressentiment général sur tout l'organisme et ainsi de suite jusqu'à la mortalité qui intervient très rapidement. Mais comment s'en prémunir Comment se protéger euh, en cas de déclaration de cas dans un poulailler par exemple ce qu'il faut faire, il faut prévenir le service vétérinaire le plus proche. Quand vous prenez le cas de Niamey, oui. il y a cinq quartiers. Dans chaque quartier de Niamey, il y a un service vétérinaire qui est, euh, qui, est situé dans la commune correspondante. Par exemple, si c'est la commune 1 ou 2 ou 3, il y a un service vétérinaire qui correspond à chaque commune. Eux, il faut les prévenir, ils sont décentralisés dans la ville et ils font le nécessaire, ils vont, ils vont très vite. Euh, Agir ah, parce que c'est une maladie que tous les services vétérinaires craignent. Parce pour, pour sa perte qu'elle provoque dans les élevages, dans les, dans les poulets. Donc vous les prévenez, ils font le prélèvement, ils viennent prendre les animaux morts, les poulets morts, et ils les amènent au laboratoire. Dans chaque mairie de Niamey, de la, de la, de la commune 1 à la commune 5, il y a des services vétérinaires qui ne sont pas forcément dans la mairie même, mais qui ont des annexes qui ont des annexes, euh, qui, dont en tout cas les autorités municipales vont vous indiquer assurément ah, la localisation de ces services vétérinaires. Ou vous pouvez directement vous rendre au service vétérinaire euh, régional de Niamey qui est situé à Gamkale, tout le monde le connaît. Si vous allez là-bas, tout près de l'école de police, et là c'est facile, ils vont, vous, ils vont vous dire le quartier qui vous concerne, ou et puis éventuellement ils peuvent même prendre ça directement en charge.